Honneur aux dames en ce mois d'octobre rose. Nous compatissons pour les populations victimes des inondations. Je suis Biran Yayawan, je suis chef d'entreprise, membre du Conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal, Innovation Croissance, membre du groupe Secteur privé et développement. Je suis membre de la Chambre consulaire de l'UMOA. Je suis doctorant chercheur en économie à l'école doctorale des sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion 6 à l'Université Antonio. Je suis le secrétaire général du laboratoire des recherches économiques monétaire de l'Université Cheikh Anta Diop. À l'occasion des élections du 17 novembre 2024, nous, acteurs du secteur privé, réaffirmons notre engagement pour une participation active à cette échéance électorale cruciale. Fort de notre contribution au développement économique du pays, nous considérons que notre voix doit être entendue pour la construction d'un Sénégal juste, prospère, où la richesse nationale créée par l'entrepreneur petit, moyen et grand sera équitablement partagée, avec les travailleurs sans lesquels cette richesse ne peut être créée en vue d'assurer à ces derniers et à leurs familles une vie décente et au premier le développement ordonné et durable de leurs affaires. Nos entreprises qui représentent une force vitale pour l'économie nationale sont résolument engagées à promouvoir un cadre législatif favorable à l'innovation, à la création d'emplois et à la transformation structurelle de notre pays. À travers cette participation, nous aspirons à défendre les intérêts des entrepreneurs, des investisseurs et des travailleurs, tout en veillant à ce que ce dialogue public-privé soit renforcé. Nous croyons fermement qu'un partenariat solide entre le secteur privé et les institutions publiques est essentiel pour la réalisation des objectifs de développement du Sénégal. Nous appelons l'ensemble de nos partenaires et collaborateurs à soutenir cette démarche citoyenne en votant massivement le 17 novembre 2024 pour la liste de notre coalition secteur privé le secteur privé se tient prêt à collaborer avec toutes les parties prenantes pour porter les aspirations des Sénégalais vers un avenir de progrès et de prospérité partagée. man la opérateur économique chef d'entreprise. maa pour def déclaration pour wax ne tey képp kuy liggéey ci commerce di liggéey ci jënd ak jaay di liggéey ci tabax di liggéey ci lépp loo xamante mu ngi indi koom-koom ci réew man mii ci secteur privé maay sa candidat. yéen acteur économiques yi nga xam ne ni bi Sénégal nekkee Sénégal ba tey 1960 ba tey 2024 amul ku nekk assemblée di ñu toppatoo di ñu fomp suñu rongoy ci su ay bëgg-bëgg yi nga xam ne ni tey lu bëri sotteegul donc ñu ngi leen di xaar incha allah secteur privé bii ngeen wooteel ko fas yéene yóbbu ko assemblée jox ko groupe parlementaire ngeen xam ne képp kuy liggéey tey ci koom-koom dootoo am benn jafe-jafe parce que ñun ñi su boobaa danañ leen fa taxawal lépp lu mu laaj ci liggéey danañ ko liggéey kon seen liste mooy liste secteur privé ngeen voteel ko jërëjëf